du symposium du Maulid international de Medina Baïnias. Je salue le Khalif général de la de Tijaniya, cher Mohamedou Mahi Ibrahim Agnès, que Dieu lui accorde une longue vie avec une bonne santé. Amen. Ainsi que l'imam, cher Tijani Aliou Sissé, imam de la grande mosquée de Medina Bay, et mon cher, cher Mahi Aliou Sissé, porte-parole de la famille de Baïnias radiallahu anhu. Je salue le président de la Jamiatou Ansaruddin, cher Mohamed Mounhamina Ibrahim Agnès, ainsi que l'ensemble de la commission scientifique et conférence, à savoir cher Serigne Aliou Ibn El Haj Abdoulaye Agnès Al Khalifa, cher El Hajj Babakar El Hajj Abdoulaye Al Khalifa, Oussaz Babakar Nyan et cher Ahmed Boukar Oumar Nyan, qui est le président de cette commission conférence de la Jamiatou Ansaruddin. Je remercie tout le monde pour le travail abattu durant les trois dernières années et je euh, prie pour que le bon Dieu nous rétribue tous les efforts qui ont été consacrés jusque-là. On m'a chargé de lire un poème de Cheikh al-Islam El Hajj Ibrahim Agnès, Agnès anhu, un poème fait à l'honneur de notre bien-aimé, le prophète Sédina Mohamed, paix et salut sur lui, dont nous célébrons la naissance. Le poème est la lettre Jim, tirée de son recueil de poèmes, Taïsirul, Usul et la Hadratir Rasul. la facilitation de l'accès à la présence du messager d'Allah, traduit par docteur Cheikh Ahmed Boukar Oumar l'historien de la Faïda. Sans plus tarder, donc je vais vous lire le poème. Je me rappelle du messager d'Allah, celui qui le chaos dispersa. Un lien éternel avec moi, il noua. Et je devins comme un perpétuel pèlerin autour de son essence. Son souvenir me priva de sommeil et ma nuit tira en longueur, inspirée par le flot de l'océan du meilleur des êtres. L'aiguille du souvenir dans mon cœur de battre ne cessa, installé pour de bon dans l'orbite de sa passion, et pris par son souvenir avant mon apparition physique. Ô oh, censeur, arrête tes reproches. C'est par son amour que mon cœur fut scellé. Je jure que tant que je vivrai, je cisserai ses éloges. Quels sont excellents les éloges que je lui tisse. Par lui, j'ai lié les perles épaisses de la gnose. Et c'est par lui que les deux océans je parvins à unir. Quel excellent mélange La lumière de sa beauté inspira tout l'univers et effaça par force majesté tout preux obscurci. À Badr, à Uhud, il apparut lumineux et terrassa les soldats de Fir en enténébrés, ainsi qu'à Unaïn et lors de la conquête de la Mecque, tout comme il humilia les bataillons successifs de l'armée des coalisés. Que la bénédiction d'Allah soit sur lui à chaque clignement d'œil. L'équivalent des projectiles et des grains de sable, tant que le désordre il conjurera. Et qu'Allah le bénisse pour l'équivalent de chaque atome, qu'une telle prière englobe la mer, les bateaux et les vagues. Et qu'il offre à son humble serviteur plus que ses souhaits, par la grâce du messager qui le rite du pèlerinage enseignant. Sur lui la divine bénédiction lors de, de chacun de ses spirituels états

sal bi dina fess del ak ay jigen et que ñu jàppale suñ nijaay yi suñ jarbaati suñ suñ ñep ñi mëna liggéey liggéey yu bay bi nga xamné chantier bu bari la ma ngi leen di gërëm di leen sant han li la ha hilaluhu hilalun badal nazirin jamaluhu hilalun rabbi bi ja muhammad ba al bushra wa amana nawaaluhu yéenay liggéey fay du baay bi si di barahama OTV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi si di barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa OTV yàlla yàlla jox leen